sur le dos derrière. Attention, une mauvaise, en oui, j'allais le dire, mauvais jugement de Mendes. Derrière, on se bat pour récupérer. Et c'est Angel Di Maria qui va revenir, remettre le ballon au Portugais. Une passe à toi, à moi et sortir mhm. sur un, bon triangle. Mais là, malheureusement, c'est intercepté avec Milic qui va jouer avec Gendouzi. Gendouzi qui va provoquer, mais là, il, pouvait, il avait cette latitude de centrer avant que le jour ne sorte sur lui. Et c'est Angel Di Maria qui va reprendre ce ballon. Pour qui Neymar. Neymar da à Achraf qui va remettre le ballon à Lionel Messi à hauteur de la ligne pour qui euh, Neymar toujours il va essayer de passer dans la profondeur euh, Kylian Mbappé une complicité entre les trois qui se tissent de fur euh, au fur et à mesure et là c'est une balle interceptée par les Marseillais qui s'y mettent à deux voire même à trois pour récupérer les ballons peut-être que ça fait partie aussi de leurs principaux arguments hein, face disons à une équipe parisienne techniquement très prête et portée par ce trio euh, constitué de Kylian Mbappé et Neymar et de Lionel Messi, que dire aussi euh, de Angel Di Maria, on, en arrive presque à l'oublier, juste pour vous dire qu'il y a un effectif, euh, disons, de, de, XL dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Écoutez, Kimpembe, Marquinhos, Hakimi, il y a aussi Verratti, Danilo Pereira, en moindre mesure, de Voilà, ensuite, vous, regardez le banc du péché, mais Donnarumma, qui est sur le banc, il y a aussi, euh, comment s'appelle, euh, Wijnaldum, Abou entre autres, Icardi, Draxler. Bon, c'est vous dire que c'est... Icardi qui a fini de régler les problèmes avec son épouse. apparemment, apparemment, les choses... c'est normal ay tubaab lañu. mais dëgg nag la ñoom ay tubaab lañu am na sénégalais yu mel yoo xam ne seen coro mere wala seen coro mere leen duñu ndekki duñu ànd duñu reer. am na ñoo xam ne ñoom seen ngañ. waaw <laughs> sa saar gi. <laughs> <laughs> xaaral ma noppi ma borom kër gi wax na ko de. waaw bëgg bëggal dina la dof loo xam ne dina def. dina la def looloo bëggul xam ne la wax nga dëgg. wallaay ndeysaan dana la tey nelaw. wallaay wax nga dëgg. maa ngi fàttali ko gune gi booy Matar. ba ba ba soxna si mere woon fii. avant muy avant muy dugg ci kër ga. attention attention. Ah ça passe à côté. ah c'est l'Irola à part Milik. Milik ce ballon ce coup franc. tiré dans le dos de la défense parisienne. Ils étaient trois. Ils étaient trois joueurs. Étrangement cela. Hein. À s'échapper de tout marquage. Emilie n'a pas pu cadrer ses ballons. Et ça fait déjà des... Des étincelles. Hein. Des crampes au niveau du ventre de, de l'entraîneur Mauricio Pochettino. Les Parisiens qui jouent bas. Alors que la fumée n'a pas fini de se dissiper sur le vélodrome. Il faut s'y attendre. Parce que euh, les supporters marseillais ont fini euh, de mettre euh, les fumigènes. Hein. Voilà, ça a été. Euh, ce qui est aussi meilleur, Ablaï Djoubar, il faut aussi Interjuventus. Oui, Interjuventus. Ouais. On, on est vraiment servi aujourd'hui. Non, non, t'es quel <laughs> monde. On est vraiment servi. Alors que les fumigènes là, les gens de la Ligue voulaient l'interdire dans les stades. Mais les comités de tous les clubs supporters ont dit niet. Il faudrait que l'on mette les fumigènes pour que ça chauffe l'ambiance. Tu la boc. c'est comme tu as dit que da ngay tere ndënd ci làmb. mais On l'a dit, man am na am li contre voir un joueur qui marque un but di célébrer sa eh, son C'est ko que koy joué loolu war nañ ko war a dépasser le football loolu war nañ dépasser mais ko war a dépasser si football danañ ko xool ci réforme yi la c'est des choses qui nga xam dañ ko a réformer Arsène Wenger mooy yore yeesal gi hier j'ai vu dans le championnat anglais un jour bi nga xam ba mu égaliser en toute fin de partie mu non corner bi la la kàjj waaw corner la la kàjj mu dam kooku carton là-bas. carton là. voilà euh, destruction de biens appartenant à autrui voilà mi ngi noonu mu alors que là c'est Mathieu Ganduzi ah. qui vient se bagarrer pour choper l'affaire mais ça n'a pas duré longtemps dans ah. ses pieds parce que les Parisiens sont là, Kimpembe, très haut. Avec euh, Di Maria qui bouge beaucoup. Messi, Attention Attention à cette connexion dangereuse entre Messi et, Di Maria. Parce que les Parisiens veulent faire monter le bloc équipe pour venir dans le rond central et presser mhm. l'équipe de Marseille. Mais ils ont compris les, les Blancs de Marseille au port de Marseille, il faut bien, il, fait bon vivre, mhm. c'est Payet. Il va ouvrir son pied sur le côté mhm. là-bas. Une belle ouverture pour euh, Li. Laura. Lirola, le numéro 29, Paul de son prénom. Ah. La frappe complètement dévissée. C'était Boubacar Camara qui a vu sa, sa balle voler dans les travées de l'équipe euh, du stade de Marseille. voici cette frappe qui est venue comme, elle, comme, elle, euh, comme il a pu, il a pris. Mais euh, c'était complètement dévissé. Et là, c'est Verratti qui vient chercher l'affaire. juróomi le la le New mhm. Marseille ah, Paris de tëw fu Paris mooy balbidem bi dem ah, Di Maria Di Maria soox Nuno Mendes Nuno Mendes a dû concentrer pour pouvoir Kamara daal di l'a nangu ci moom de ko mhm. Marseille Saliba Ou dellu ci seen camp William Saliba mu daal nga ni défense centrale ba ci Payet mhm gars yi libéré ou hein, amul round d'observation. déedéet nous du xaar kenn dañoo ñëw joué kenn du xaar kenn lii wala Guendouzi. mooy li ma la à l'entente de partie cette équipe de Marseille n'a rien à voir ak équipe yi nga xam moo fi newoon. nga xamante a priori. di nga nekk match bi PSG da koy gagné. tellement vrai que Marseille est revenu pratiquement avec un nul euh, honorifique euh, contre la Lazio de Rome c'est bii passé ah, ah. en Ligue des Champions bu doon équipe Marseille bu daaw bi xëy na mën na bañ a demee donc boo xoolee. Marseille dafa am ay acquis mais il a fait un recrutement nga véritablement avec des joueurs yi nga xam des dañuy coller à la philosophie de l'Olympique de Marseille maanaam fighting spirit. Maria voilà mais non, qui n'a pas laissé le ballon. attention fële la nga ba ah, ah. pour qui il a pas pu tenir il a pas pu tenir ce ballon. non fallait le voir ça. voilà il a pas pu tenir di Maria mais non, noonu. fële le woon bah, le pied gauche bi. waaw euh, voilà. Mais non, parce que réorienter le jeu alors que nous de l'autre côté. puisque excentré gauche Marseille. Mm-hmm. déjà le ah, le pied droit après c'est cela. Le déplacement le bougement. Mm-hmm. c'est important nga xam fait. Mais c'est un gogo, c'est son premier classico en France. lui qui a dû euh, certainement être euh, informé que l'équipe de Barcelone a été battue par Marseille, par euh, l'équipe du Real, hmm. sur le score de 2 buts à 1. Et là, mené Neymar, l'homme qui a les troubles au niveau de la tête, il dit qu'il ne va pas tenir jusqu'à le monde, il va laisser tomber le football et manger son argent. Di Maria, Gaï Top Ndiran, Abidou monsieur Bastien Mme Aka Khalebi euh, dit Valentin Rogier. mais mais mais pour revenir sur sur ça l'anglais, du anglais du burn out. voilà da ngay dem ba benn instant nga xamanteni cette vie là parce qu'apparemment c'est des jours c'est des gens yi nga xamanteni ni euh, tu penses que euh, en fait ils sont heureux. parce que c'est c'est des gens connus sur. boo xoolee c'est des euh, comment s'appelle planétaire planétaire voilà c'est le terme que cherché c'est les jours qui nga xam dañoo am c'est le terme que tu cherches voilà c'est le terme que cherché voilà yo maag yo dañu dañoo déggoo voilà mi ngi noonu ils sont pour être heureux mais au fond en certains moments ils ne sont plus heureux parce qu'ils n'ont pas une vie normale ah, attention donc du coup l'homme est indi seen dépression yooyu ah, genre déclaration Neymar def na ko ba ñuy njorti ni xëy euh, sous peu de temps il va laisser le football pour mener une vie tranquille dañuy toll ci Yanamar. voilà mi ngi noonu dañuy toll ci ñoom Fou Malade Yann Amar foofu toll du am temps entraînement équipe nationale entraînement club match Ligue des champions match championnat de dëgg-dëgg doo am vie. léegi dañuy ci mm. le Brésil a besoin de lui les supporters du Brésil ont besoin de lui Paris a besoin de lui le football dans son ensemble a besoin de Neymar et de son talent. Mm-hmm. il faut l'encadrer par des coachs qui vont euh, travailler son mental. et le ramener sur le droit chemin. ça peut se faire. Marco Verratti nous ngi dem ci dixième minute Diagne ak fil, zéro la fii gars yi ñu ngi ci marché Sandaga di déglu rajo bi ndax nee nañu foofa nii la RFM di fi wulee ñaay. Hmm. ñu koy enjoy. mais nag dixième minute bi aussi mooy que ne ñaari équipe yoo ngi si match bi ah. daan na ko def dugg na. ah, ah la la la sur le poteau. daf koy génnewaat un cinq mètres cinquante yi. parce que ni baloon bi demee moom mu ëpp xoolal. xoolal fi mu koy yóbbu moo ëpp. ah c'était Mbappé. Et le gardien qui n'a pas pu euh, se détendre carrément pour Lopez, Paul Lopez, qui a fini par reléguer euh, euh, Manda sur le banc. Ouais, ouais, crédité d'un très bon match contre la Lazio de Rome. Le Marseille perd tout le carreau. C'est bien d'avoir un grand gardien. C'est comme ça aussi une équipe, c'est une complémentarité. Ah, oui. voilà, si, si, le collectif flanche, quelque part aussi, il peut y avoir une individualité. Et quand ça vient du, portier, c'est Attention. Lionel Messi. Messi, pour qui a voulu amener le ballon et là, derrière, euh, c'est Paul Lopez qui s'interpose pour reprendre ce Ouais. remplaçant du pour toog si banc bi rek. déedéet. waaw mais mu nekk gardien bi ak ku mu mënti nekk. mooy que ne boo ñëwee rek. da ngay am loo indi. da nga war a nekk sa bés. effectivement waaw loo mën su ko defee nag léegi nag di nga war a mais yow soo toogee si banc bi rek ay kéeg yi. Ah. fu ñu la indee après yow nga taatu law bi demaat. Ah. c'est pas l'appel. c'est pas l'appel ay remplaçant yoo xam ne bu nu duggee dootuñu génn. déedéet xale góolu góolu génération foot bi. Mamadou Mamadou Fall. waaw ah. la tudd njool ca kaw. waaw ba ñaare gaañoo mu génn nu dugal ko ba championnat bi jeex moo góol. moo góol waaw da ngay saisir. waaw waaw mi ngi noonu mi ngi noonu. c'est ngi noonu ah xam ma ngi mel ni Famara Diédhiou rek. xam nga Famara Diédhiou moom match mënatul door nga koy jël di ko teg ci banc. keroog bu mu duggee dafa def ñett. pourtant par le ay bout de match ko doon. mu ñam donc muy ñam keroog mu ñëw dugal ñett. kan moo ko dañu teg remplaçant prochain match. amul bu ñëwee bu bu bu bu bu rek ñu and ak mom dem. sañ na lu raw lool. <laughs> mu ngi noonu. mu ngi seen équipe bi. Oh. y a trois défenseurs derrière. Sénégal weer wee lay football non. weer wala di ñëw. wa novembre oui. il est Nabil Keita dafa oh gaañu. waaw Nabi euh, taclé par. Euh, euh, Paul Pogba qui a été exclu. l'arbitre a fait du deux poids deux mesures. Ah. parce que tacle de Pogba il a sorti le rouge direct alors que sur le geste Cristiano Ronaldo il a sorti le jaune. Ah ouais. Il a fait du deux par deux mesures. C'était euh, c'est c'est Kumba am Kumba amul Ah ouais, c'est action échappé. Loolu loolu def dafa def Kumba am ndey Kumba amul ndey dafa mel na maa ngi dañ bu ñu ci kër gi fi def lu neex. Uh-huh. dañ lay jox ay avertissement bu mata defee lu mo def def ko mise à pied. Ah du yor. Tegul fet. Du yor. Attention Angel Di Maria sur le flanc qui va essayer de remettre le ballon mais il a été euh, contré par euh, apparemment euh, Rongier, Valentin Rongier. Mais il y avait sept joueurs. Ouais c'est Angel Di Maria. À la réception, une touche. À la réception défensive. Hein. Ouais. Euh. La touche vite exécutée pour le Portugais Nuno Mendes. Toujours Ferré à Abou Diallo sur le flanc gauche du mm-hmm. Paris Saint-Germain avec Kimpembe jusqu'à qui son capitaine Marquinhos. Achraf oh, oh, Hakimi. Là derrière, il va jouer jusqu'à Kimpembe. Kimpembe qui va essayer de lancer la machine. Et c'est avec euh, Danilo Pereira, préféré aujourd'hui à Idrissa Ganagay. Angel Di Maria, techniquement très bon. On va retrouver Neymar. Une passe dans la profondeur et ça va sortir au profit de Paolo Lopez. Comprenez par là le portier de l'Olympique de Marseille. Nous en sommes à la douzième minute de jeu et nous sommes au Vélodrome. Le score n'a pas bougé. Du répondant du côté de l'Olympique de Marseille, pour cela qui pensait que véritablement que cette formation du PSG allait avoir euh, un match facile, non, hmm. ce n'est pas encore le cas. Et, ce sont, et la première véritable occasion de but. Et les Marseillais. Et les Marseillais. Malheureusement, Milik, euh, l'attaquant de pointe, n'a pas cadré sa tête. Sa tête. Et c'est Verratti qui tient le ballon pour qui pour Kylian Mbappé qui a décroché ou plutôt euh, Neymar. Neymar, pour Verratti, Verratti Kimpembe, Kimpembe qui Danilo Pereira qui va franchir la ligne médiane. Mais équipe Marseille chez nous par les intervalles. Et là, pour l'instant, voilà, Messi qui va se signaler. J'allais parler de lui d'ailleurs. Il va s'appuyer sur Kylian Mbappé qui va remettre le ballon. Messi qui va perdre le ballon au passage. Récupéré par la défense marseillaise avec Gendouzi. Attention derrière, il arrive. On va jouer jusqu'à qui Paolo Lopez certainement. Qui va temporiser, calmer, calmer avant de voir un partenaire démarqué. Il va faire une transversale jusqu'à qui Gendouzi une remise de la tête pour qui Milic apparemment ou alors euh, c'était euh, Under Neymar Neymar dans la préparation il va frapper ah, il, va, marquer contre son camp il va marquer contre son camp alors que Neymar avait complètement raté sa frappe derrière le défenseur parisien qui revenait pour couvrir a finalement taclé le ballon dans ses buts alors qu'on s'y attendait peut-être le moins ah oui, il hmm. passe Neymar, la frappe derrière. Malheureusement, ah oui, c'est malheureux que ça lui arrive. Mais c'est comme ça, il s'agit de qui On va voir. C'est le Marseillais qui manque euh, contre son camp. Ah oui. C'est pas Kaletachar. Euh, Kaletachar, non. C'est pas Kaletachar. Voilà, certainement, Luan Pérez. C'est justement lui. Ah. C'est Perez. C'est Perez qui marque contre son camp. Ou, euh, oui, c'est Luan Pérez. Parce que moment arrière gauche, c'était lui qui était venu pour couvrir derrière au deuxième porteur, Mais malheureusement, euh, dans son action et il a mis le ballon au fond des filets. Cela fait 1 à 0 pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Alors certainement un but qui va davantage mettre de la folie dans cette rencontre parce que relais. Euh, euh, bon euh, comment ça s'appelle Marseille n'a jamais été dominé dans ces mm-hmm. parties c'est un but malheureux mais y aura certainement attention on va voir on va voir on va voir l'arbitre qui est en mm. train qui est en ah. train de communiquer avec mm. la VAR mm. est-ce que position da Bagne, c'est vrai attention ah, ah oui ah finalement. c'est pratiquement une justice qui a été rétablie pour pour l'Olympique de ah Marseille heureusement. Uh-huh. heureusement que Neymar était en position de hors-jeu et les pendules sont remises à l'heure. Zéro but partout entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain et le jeu va reprendre. Attention, Under, Under, face à qui Marquinhos, Daydem, la frappe derrière, c'est le euh, petit c'est le petit filet qui Under c'est un turc c'est un turc alors que le, pays turc est en train de faire la neuf pays européens qui ont fait de l'ingérence il est jeu il il y a deux sont jeu ils sont deux ils sont deux il y a il y a une question je pense qui a été traitée et les ambassadeurs euh, de ces pays européens ont interpellé le ministère des Affaires étrangères de, la Turquie et le président turc est monté au créneau pour demander de, que ces gens-là quittent le pays. Parce que c'est des questions qui concernent la vie turque et ce n'est pas l'affaire des ambassadeurs. Donc, comme quand ça fait de l'ingérence, rentrez chez vous. Voilà. Et là, Paolo San est averti <laughs> pour, euh, pour faire... Euh, euh, ah, pour faire genre. En fait, c'est son style, quoi. Parce que l'entraîneur, il, est chaud Voilà, il, me donne un peu euh, Didier Simeone, quoi. Voilà, Diego voilà. Donc, euh, c'est comme si les Argentins ont, sa C'est différent de, ah. de, Pochettino, euh, qui est là. Plus, calme. plus calme. et tout. Bon, mais à chacun son style aussi de, coaching. Voilà, mais non, Attention. Mauvais renvoi de Navas. À la 16e minute de jeu, le but. Marseillais, le but Marseillais contre son camp a été annulé et ce sera un carton jaune.

moom la monsieur Robert monsieur Bastien jox ko avertissement yóbbante ka kayitub yëgle ni ko dànkaafu naa la génn yoon bu ma la dànkaafu waatee retti bogo da ngay sangu ji zéro zéro fukki simili ak juróom-ñaar ci leen tol tasiru Marseille ak Paris noo tëwoo yëfi yi nag kàkk kenn demul kenn dikkul ah, waaw mais tëwoo bi aussi yoon la de parce que soo xoolee que ne ñaar euh, bi baax na si bal bi mi ngi dox fi mu war di dox mi ngi dem ñi ngi wut euh, ay euh, Euh, ay euh, occasion ñu ngi koy am. mais nag ba léegi peut-être que amaguñu bon assuré euh, sûreté boo xamee moom moo gën a wóor mooy que ne dóor ko ci camp yi. mais li si gën am moom mooy que ne ñu ngi dawal bal bi ñu mu war que Paris moo ko téye. di ko doxal ni mu ko war a doxalee di goto goto di puus di dem. léegi dañu changé côté fële ca Messi. Uh-huh. mi nga xam ne daa jël laaf bi taxaw fa di xaar ñu jox ko teranga ji Danilo Pereira gis na ko joxaat na ko Messi léegi mën naa ñëw un contre un lay lijjanti jox na Mbappé. Mbappé, Mbappé, Mbappé. La frappe de Mbappé, c'est trop croisé, Il n'y avait pas de joueur qui avait accompagné Mbappé pour un centre en retrait. Il n'y avait pas de joueur qui avait accompagné Mbappé. Ah ah alors, alors que là, j'ai parlé tout à l'heure de Diego Simeone. Hmm. Et, au même moment, donc, euh, on, on me signale. Euh, dans le début du sud de l'Italie entre l'AS Rome et Napoli. Gianluca Mancini, AS Rome et Khalid Koulibaly de Naples, donc MVP de la rencontre. Ah, voilà. Bon, ah, il, me, il, il, me, dit que le fils de euh, Giovanni donc, a marqué 4 eh, buts aujourd'hui. Ah, 4 buts. 4 buts. Le fils de Diego Simeone. 4 à 1. C'est important. Euh, Diego Modugo, 4 buts. 4 buts, ouais. Ah, c'est important. non. Euh, Diouf, effectivement, il vient. Effectivement. Abouka aussi, on le salue. Abouka, de l'Observateur, voilà, voilà. donc il est là, qui est à l'écoute de la RFM. Euh, donc nous en sommes exactement à la 20 minute de jeu. Et le score est de 0 but partout entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. ñaar fukki simili la ñu yooteegum fu mu toll nii kenn dugalagul. pexe amul gars ngi wër di seet mais du yombee noonu Marquinhos da koy dégager mu sori lool Neymar de la tête pour Nuno Mendes mu wàccee bal bi te calmement dit le but de delloo Neymar mu teg ko ko Neymar Gendouzi Boble ci la Nuno Mendes ballon perdu et récupéré par Gendouzi de Marseille on va changer Camara Boubacar c'est son nom il va entrer euh, ce ballon pour euh, Valentin Rogier qui va centrer là. et c'est le but de Marseille 20e minute de jeu oui 20e minute de jeu une attaque placée les Marseillais qui ont été très agressifs hein, sur euh, les joueurs parisiens, qui ont fini par reprendre ce ballon et derrière on décale un excentré qui remet le ballon en retrait dans la surface de réparation et c'est Milic qui met un plat du pied qui permet à l'Olympique de Marseille de mener à 1 à 0. Alors regardez l'attitude. Il est l'attitude. c'est ça. C'est ça. Regardez l'attitude de l'entraîneur du PSG. plus euh, plutôt de, l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille. ah, euh, pour dire que rôle le contre lui, foo xoolal fi ñuy ballon bi. Ah. xoolal ñaari jury yi dañu demandoo si ligne boo xam ne kenn ki y' a pas hors-jeu. y' a pas y' a pas hors rien du tout. mais boo xoolee aussi euh, télescopage bu am ci diggante Neymar ak. Ah, euh, Nuno Mendes parce que Neymar. Euh, comment s'appelle Nuno Mendes ba ci zone mm-hmm. il n'avait plus aucune possibilité voilà et là les Parisiens sont attention monsieur Bastien mu Benoît Bastien je euh. ngay jëm est-ce que la balle est sortie Tu contact ba ou pas Var. annulé le ko hors-jeu eh, histoire de Var. <laughs> cey Var. histoire de Var. le but parisien annulé le but marseillais annulé ana hors-jeu ah bagg bi kii Qui waa qui centré mhm. moom moo hors Milik hors-jeu centré moi, balle moo hors-jeu eh, Chez. Thioye Var nee na comme 0-0 la ba léegi le but est annulé il faut barrer. voilà si ku nekk ku nekk bañal nañ la benn. ku dee Var annulé le le ce but nga dugal mu lànk keneen ki dugal mu lànk ci lan toll ñaar fukki simili ak ñett. Camara Boubacar day dem gars yi ko doo mën a jàll fii nanga bal ci moom jox ko Messi mu jox ko Neymar ay ay ay. ballon perdu par Mbappé sur cette passe de Messi qui avait vu le départ de Mbappé malheureusement à la 22e minute de jeu ce sera un ballon pour Camara avec Payet. Uh -huh. Tu vas amener ce ballon, le réunionnais. Payet Dimitri, c'est son prénom. Là, dans la profondeur, mais Navas était là. Voilà, ça fait, ça fait deux buts annulés, de, ah ouais, deux de buts annulés côté. plutôt de part et d'autre. Ah, un de chaque côté. Voilà, un de chaque côté. Voilà, un de chaque voilà. côté. Et voilà, tout le monde le gère à la même enseigne. Moi les woon ne ñaari équipe yëpp ñu ngi si match. ñu ngi si match effectivement amagul kenn ku perdre le bout du match. Voilà, mi ngi noonu. Neymar mooy bal bi Diagne. mi ngi noonu. da koy louche. de l'extérieur du pied. jox Mbappé. il va enchaîner. Mbappé nous, il def. D'été, de da lay lijjanti passe na Di Maria dans la préparation dans le arbitre joué monsieur Bastien ne jouait joué la xewul Di Maria de passe bu ndaw ci mën na ko arbitre ah, mais qui laisse l'avantage non non non non. lu xew match bi lu xew parisien bi wono Marseille bi la wo aha aha Uh-huh. reprise de de de de volet. Wa, eh eh eh Kassirou. eh Kassirou fi amna de de. nu mu def da carrément De quoi de carrément bon Di Maria qui a fait une nouvelle coiffure alors que là l'arbitre a le jeu revenir à la faute initiale. il fallait s'attendre à ça parce que diggante Marseille ak euh, ak PSG. du yomb yomb dina am xeex dina am kii leg arbitre bi mo wara meuna am intelligence. pour la fayda gérer match sans pour autant verser. parce que bu toppee rythme match bi rek man am ay carton dina am carton rouge clairement. duut na la ben yoon. voilà daal di teebal bi génnee ko lijjanti pour meuna jall gaay téré ko jàll. longé la moo ngi lijjanti pour dem mais mënut jall jàll kooku moom di euh, Milik. qui va essayer de passer Mbappé à faute. On est en France, on le faute-le. Ces contacts en Angleterre, ça ne se siffle pas, mais en France, ça se siffle. Faute-le. France, c'est football, boulkala, Ah d'accord. Le rola Voilà, euh, euh samedi 30 octobre, à Salou. ay nous avons inauguré dañuy euh, inaugurer siège bu bees bu nekk mhm. foofu la ca c'est à Léona euh, oui c'est à Léona donc fa lañ amalé qui ni le prochain mhm le 30 octobre, donc euh, Aïe Saloum qui a, un nouveau président, qui a un mhm. nouveau président Fallou Québec. Fallou Voilà, donc qui est en train de, de faire bouger les choses. Donc, ah, le 30 octobre, effectivement, c'est euh, cette inauguration siège c'est une première aussi. C'est important équipe a terrain mais hein. les les qui vont qui vont aussi faire euh, une tournée. Euh, comment ça s'appelle C'est l'encadrement. Hein? oui L'équipe en tant que telle qui est revenue au rayolet, disons de la Coupe d'Afrique des Nations qui ah. s'est déroulée au Kenya qui va faire un travail de prospection Lol. équipe parce que da ngeen am tournoi dans les régions aussi voilà détection détection effectivement que préparer la coupe du monde au Brésil ba ngeen d'Afrique euh, cette équipe euh, de jeunes euh, qui sont là à Dakar surtout simplement ñu niveau. à ak Louga effectivement yaatal yaatal c'est le meilleur puisqu'il y en a aussi d'autres qui sont les régions et qui savent jouer au, qui savent taper sur le ballon. Donc mi c'est une question d'équité à 25 ngi 25 euh, minutes de jeu Marseille 0 Paris Saint-Germain 0. Avec deux buts annulés l'un de chaque côté pour euh, raison de hors-jeu et de VAR nous ngi 0-0 qui du Kimpembe presse na la mooy rebal bi jox Marco mu Neymar mu Messi dans un petit espace ici oh. pour Di Maria Di Maria Angel Di Maria qui va centrer la tête d'un défenseur Patin eh, Le paras de Paolo Lopez. Ça passera au-dessus La <laughs> tête de Léo Messi Avec sa petite taille, il s'est élevé pour smasher ce ballon Di Maria moi ça, saay da koo xaar ba mu ñëw non mu mu mënu woon smash ball bi parce que parce que taille moo taille moo ko handicapé mais c'est un jeu bu amoon tuuti relance Des smash ball bi dafa gàtt piqué ko bu dugal il est allé chercher la paix mais ça dépend des yi ça dépend détente yi aussi

Euh, de se calmer parce que Marseille est dans son match. mais non il faut il faut pas oublier aussi que Marseille a été victime de ses supporters parce que ah. moins un. contre mon pays. contre mon pays. donc euh, lui moins un moins au final. moins un moins un moyen. moins un vous avez gagné moins de. <laughs> moins un ca école ba. loolu loolu élèves yi très bien rek la ñu daan def moins un moins deux. <laughs> mu ngi noonu ah man j'étais très terrible Diagne. dama <laughs> bëriwoon fitna trop ca l'école bi. inter dugal na contre juive. inter dugal na contre juive. alors que là on va strictement interdit de jeter des projectiles dans l'enceinte du stade. ah voilà c'est important. mi ngi noonu mais ils le savent. ils le savent mais bon. boo xoolee ce sont les les ultras les ultras en général. voilà def voilà une manière de se faire entendre bon bu ñu yàq rythme match parce que.

Marseille yi faut mu toll nii tere nañu Neymar mu tiré coup corner bi tere nañ ko mu tiré ba nu indi ay ay ay yëf pour mën ko protéger le ballon est parti. corner à nouveau non. Ah, arbitre ah, ne simet fi mu toll de kenn ñaanatu mu le corner ci ah Gendouzi japp nga Mathieu Gendouzi japp nga ko. ah on revoit la tête de Messi. et le face du et le de Paul Lopez. Ah, qui était sur la trajectoire du ballon alors que on est à 0-0 dans cette côte entre Marseille et Paris on est au stade Vélodrome on est à la demi-heure de jeu muy fanweeri simili yo xam yo yoote na ko ndam demagul ndam dikkagul Boubacar Camara da koy téye jox ko Kale Tatchar mu lijjël génné bal bi jox ko William Sabila gaay yi jaar ci dox bi ci Rongier mu yëkëti Nuno Mendes da di koy dog téye bal bi nangu ko ci waa Marseille da di koy tëmbal ca kanam au jeu ngeen au ñëpp mhm. moo kenn ci ñom du ci du du alors Diagne ma ma ma ma ma ma dédicace. Euh, match bi ki nga du ni ju mën hmm. présidente des sommes moi, les supporters de l'Olympique de Marseille au Sénégal. attention attention. voilà on va Mbappé la frappe la frappe la frappe de Neymar. voilà mi non non

voilà mm-hmm. vous le méritez vous le méritez et parce que le président de une discrimination positive. oui parce que le président de aussi bien eu doon dem aussi daf nous joxoon. jàppale na leen si aussi nous ñëpp ñuy xaar pour décorer ñu aussi. attention attention attention là la belle couverture de Paolo Lopez voilà. qui vient sortir le ballon voilà. merci merci à Matarba, ministre des sports. Euh, c'est sa mon toujours sur nous voilà merci merci à monsieur le ministre des Sports. J'avais pensé tout à l'heure l'appeler pour qu'il fasse un témoignage sur Cham euh, Thiam de Après, le temps nous a nous a pris, on n'a pas pu faire ce, témoignage. Mm. Mais euh, on vous donnera les informations concernant la levée du corps de de de qui va être enterré à Linger. Mbappé, balle pour Messi, il y a faute, Messi l'arbitre ne siffle pas, Mathieu Guendouzi qui va s'extirper voilà le pressing ça c'est l'expérience foofu vous na mu parce ba ca biir liñ defoon mbooli waaye soriwul dañu l'opéra ndax mën na ko talonnade bi demul Rongier je ne bal bi ci Gendouzi. jox ah. Guendouzi double contact Gendouzi encore heureusement pour les Marseillais que Gendouzi moo jàtt encore Pas le bal ndax beaucoup de doon Dimitri Payet Dia ci 33e minute de jeu 0-0 de Marseille à Paris. A signaler qu'il y a eu des buts de part et d'autre qui ont été annulés par la VAR. C'est d'abord euh, l'équipe du PG qui avait ouvert le score avant d'être rattrapée, disons, euh, par la VAR. Ensuite, euh, l'équipe de Marseille qui en met aussi. Et la VAR a tout annulé, ce qui fait que le score pour l'instant entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain au Vélodrome est de 0 but partout. Et ce sont les Parisiens qui vont repartir à l'abordage avec le Turc. Il s'agit de Under face au Portugais Mendes du PSG. Et là, à l'image donc Pochettino, superbement bien sapé ce soir pour euh, ce classique euh, du football français avec, euh, disons, à la cerise, avec cerise sur le gâteau, <laughs> Lionel Messi qui découvre, disons, cette compétition, alors ce classico de la France. Ça joue bien. Les Parisiens qui vont se battre pour récupérer le ballon, c'est finalement les Marseillais qui vont le reprendre. Ça joue bien. Milieu pour Gendouzi. Gendouzi. Gendouzi qui va s'en aller, qui va chercher. Quelqu'un dans l'ex, c'est un excentré. Dimitri Payet capable à lui seul d'éliminer. Ça joue bien. On donne guise. Payet c'est Marquinhos qui met le pied. Dafa Gat, Alors bi effectivement. Talana bi et c'est Mbappé. Par comme ça, il est dangereux. Quand il voit de loin, Achraf Hakimi, attention, il va s'introduire dans la sphère de réparation. Il a été rattrapé par la troupe. Mhm. Et du côté de Marseille, se bat pour récupérer le ballon. Ils sont revenus pendant ce temps. Mbappé, Mbappé, qui va essayer de travailler son avis et le ballon sera contré et ce sera un corner. Que dire de l'état d'esprit de l'Olympique de Marseille Tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné et on ne lâche absolument rien. En fait, c'est ce qu'il faisait dans le passé disons l'ADN même de l'Olympique de Marseille manam li nga xam moo di Fatih Team ful ak fayda ñëw xeex. Euh, tey jii boo xoolee seen entraîneur bi euh, San dafa mel ni lolu la delloosiwaat bi Marseille. parce que football am na coow eh, ay way way waay supporter nañ bàyyi ni sànni mënta ñak quoi qu'il en soit Marseille sera sanctionné à la fin de la partie. voilà ça va être peut-être une sanction pécuniaire Messi Messi ça va être peut-être une sanction pécuniaire tout dépendra de l'évolution ah, euh, des choses mais mais mais gars bu ñak match bi. buñ ko koy buñu bu match bi Marseille est, dans son match. Et est même capable de mener le score. Donc Bouniko avec ses histoires euh, d'ultra qui à la limite sont en train de cacher ah, la fête ce soir. C'est un esprit, un ah esprit, un esprit tifosi. Un esprit rebelle, un esprit tifosi. Que l'on n'aime pas voir dans le, dans le football. On a vu aujourd'hui deux classicos entre l'équipe de, de, Barcelone et, Real de Madrid. Mhm. C'est une rivalité féroce. Il ne s'est pas passé cela. Manchester qui s'est fait exploser sur son terrain par Liverpool il n'y a pas eu cela il faut rester civilisé ma correctement jàpp seen good time fil fas dem ñibbi bàyyi yi ngeen defi cëfër cëfër yi yëfi sowaas yi jekkul jaaduwul ayca Payet mooy rebal bi dañuy daal di dox jëm Milik le centre est parti contre xanaa a match ba un ba say nous ñëw la ne. bàyyi ils sont en train de déconcentrer leur équipe sans même le savoir. parce que Marseille est vraiment concerné par ce match là bon ils sont dedans et ils ne lâchent rien ils sont dans le match. donc bu ñuy continuer nii déconcentrer. Attention, là c'est Neymar. Neymar qui est cherché. Neymar qui est cherché, il n'est pas dans le bon jour, mais ça va, ça peut, ça peut être dangereux. Mbappé avec Danilo Pereira qui accompagne Neymar Messi maintenant Messi passe à Guindouzi, il s'extirpe de l'affaire pour Djokovic, Danilo Pereira Donc on remise le y' avait trois jours autour. de Neymar Neymar le contrôle. et ce sera un corner. c'est corner de Luan Perez qui avait concédé contre son camp qui vient dégager devant Neymar. est-ce que j'ai le contrôle est-ce que jaroon le contrôle. Dans nga ñëw rek ci. arwatam mais

Ashraf Hakimi tek na ko dënn ko. intelligemment le Marocain pour qui. paye euh, Di Maria. Di Maria avec qui. il va chercher la solution avec son pied gauche extérieur bi de. extérieur du pied de. da extérieur du pied. jox na ko mba ki ah non Di Maria la kii la Mbappé Mbappé. Messi Messi léegi. gars contre ko. deuxième balle. gis nga pour contre attaque les contre ba bal baa Tengende. ca payet tey ngeen de. Eh, yàqu na gars nañu gars nañu acca et pour euh, stopper tout de suite euh, l'assaut Marseillais à la 37e minute de jeu 0-0. Ah c'était un bon entre match. deux équipes. C'était un bon mais c'est un match équilibré. On ne sent pas le temps passer. Bon match. On ne sent pas le temps passer. Là, c'est un petit moment de d'accalmie. ñu té taxaw. ku ne xool sa taxawaay ku ne jubbandi sa. sa biir boo xoolee match bi sax moo ëpp intensité sànq match. Real beeg Barcelone Real Barcelone moo ëpp intensité. non match Real saa bi du woon match boo xam ne. amoon na niveau niveau bu kawee parce que ñaari kii yooyu dañoo ramb boo wér di fajuwaat. oui c'est vrai. alors que lamb ji na ca Iba Mar ñu ngi jëm ci grand combat bi sama yaram a ngi daw jaaj. su may xool image yi sama yaram day raf. li may wax fii dama koy xeeb ndax li may wax fii àndul ak lee. te fee laa bëgg a ne barkal fee nga bëgg waaw waaw ma wax loolu fee La dem la ilaha illallah attention ba oh la la fee kay bu ma waxoon dama dem foofu ngeen woo jox ma affaire bi hé mbay na lu rëy pa ñam hé tabarkal dafa am da dégg naa moom lamb ji dafa kan kanay xaw affiche bi waaye waaye Assane Ndiaye moo tëgg lamb ji Malick Thiandoum ma nga ne di doxal ak Pathier TFM na en direct ñu bëgg lamb mu ko ndax c'est la même maison effectivement et a prolongé le ballon alors que euh, Mbappé était là aux ah oui ça, c'est vraiment euh, euh, un, geste, technique euh, qu'il faudra maîtriser. Difficile à réaliser. Voilà, justement, parce qu'il est beaucoup plus probable que de, le mettre contre son camp. De le mettre contre son camp que, de le mettre effectivement. Voilà, voilà demande une certaine maîtrise. Et là, cette équipe MB aussi qui était aux avant-postes pour mettre la tête. Il mhm. avait battu dans les airs Boubacar Kamara, mais le ballon n'était pas cadré. Nous en sommes à la 40e minute de jeu. Zéro but partout entre l'Olympique de Marseille et l'équipe du PSG. Ça joue bien. Et c'est avec Milit qui va donner le ballon à Valentin Rogier qui va temporiser avant de trouver un partenaire. C'est avec Khaled Tachar, pour qui mais léegi mais léegi. booy bi léegi léegi man waxatuma léegi booy bi léegi. léegi dafa lay bëgg a guerre non bàyyi. jaaj amul si waxatuma daañu waxal rek ndax yow. waxatuma fee ma bëgg dem mënoo faa dem. fee ma bëgg dem ñu jaaj ñëpp wala defee man est-ce que nga wax jàmm wala yëboo. fa fa fa mu tuuti. muy noonu ça c'est Mbappé. face à Saliba qui va le pousser. waaw da koy da koy dàq. laser après c'est un public hostile. voilà c'est un public hostile de Marseille. qui vient pimenter la chose alors pour les filles. Leonardo El Khelaifi mais aussi le président de l'Olympique de Marseille. voilà ak Guy aussi je vois même Guy hein. voilà ils sont tous à la tribune euh, présidentielle. oh là là et là ce sont les Marseillais. Asif d'Achraf Hakimi. Under. Under Cengiz, Under. Under Cengiz Cengiz Under. fii la le turc. yéexul de yéexul de yéexul de waay yéex waay waay waay Tasiru waay yéex yéex. sama waay xam nga la. ah contrôle bi mu contrôlé. laa moo indi yéexaay. bon là là apparemment il est en position de. xam nga Tasiru la mo la moo indi coow bi. la sortie de Navas. waaw vers le joueur Under dafay réduire angle bi du gis kan yi bu baax. waaw dafa génn bu mu gis ba def écran bi dellu ginnaaw. moo tax il a été obligé de frapper au premier poteau. moom laa lay bëgg expliquer léegi nii nag su fekkee nag yow la. waaw day dugg. parce que gi ni gaan bi di daw di ñëw nii. da ngay jaareel bal bi si kanamam. waaw bal bi ngay jaar si kanam dugal sa yaram. soit mu dal sa kaw. am rouge nga am coup franc. waaw penalty ngay am. waaw si biir surface nga la. waaw noonu. mais moom daf ko yàkkamte pour dóor ko. ñorul dafa xaay rek mu mu witti warul yàkkamtee noonu. waaw dafa xaay waaye ah, te boo bàyyi ba mu ñor gaañ drapeau ma fàll. Ah. maire de la Médina lu ñuy bëre ca Iba Mar. ci hmm. quarante une minute ci Vélodrome. Ah. li may RFM Messi. da koy téye mooy rebal bi da koy contrôlé yooyu ay yëfam la. Hmm. day ñëw doole da cokkaas. Messi Mbappé Mbappé Messi la. jaay la frappe de Messi. la que dit de la remise de Kylian Mbappé. Le contrôle extra avec le plat du pied simplement. le, ballon, qui flirte avec euh, l'écran. Euh, Alors que l'attention attention aux Marseillais, si vous commencez à laisser ce genre d'offrande aux Parisiens, cela pourrait vous coûter très cher. Messi, Mbappé, Neymar et Di Maria, c'est un quartier de joueurs avec des chaussures empoisonnées c'est Rongier à la 43e minute de jeu c'est une touche pour Marseille. Rongier. Rongier. Hmm. Rongier Rongier Rongier Rongier Goul. ballon récupéré Gendouzi, attention il s'est blessé. Mathieu Gendouzi, un très bon joueur. qui est passé à Arsenal qui a tout de suite épousé l'esprit euh, de, Marseille. qui a tout de suite compris que ici c'est une terre de fighting spirit et quand on vient d'Angleterre l'eau de la jaaxal. Lolo Doula la et là il apporte vraiment beaucoup de choses avec ses chevaux au vent qui me rappellent David Louise. Ouais. non dans l'endroit avec Kamara Boubacar. qui va essayer à Payet maintenant. il va s'amener le ballon. on va aller dans l'autre sens c'est bien fait. on va amener cette affaire qui euh, Gunter mu à Payet mu Gunter. c'est trop fort Under. Et ce sera finalement un ballon qui va sortir en 5m50 à la 44e minute de jeu. 0-0 au stade Vélodrome entre le Paris Saint-Germain et Marseille. Ballon pour Messi. Sur le côté, Mouandak Mbappé. Mouandak Mbappé, ku ci nekk Sabale, ñoom yor nga sa bale. di lijjanti si ay def ba ko. Neymar ma nga taxaw. gars yi jox nañ ko bal bi gis fi

du temps réglementaire, pas de but, zéro but partout. Un match très animé entre ces deux formations qui sont en train en tout cas de se donner du fil à retour. Et là, bataille ñom ñoko Paris Saint-Germain Lionel Messi qui va jouer avec qui Verratti qui va s'appuyer à nouveau sur qui euh, Kylian Mbappé, Mbappé, Achraf mmh. attention, attention, attention, la passe en retrait, mon Ah ouais. Se appliquer 4 ah ah, ah, minutes 4 minutes de temps additionnel. 4 minutes de temps additionnel. voilà si si si si orge jeu na. était était en position avancée. mais l'un dans l'autre il avait mal joué l'action. alors que l'ANPS euh, l'association nationale de la presse sportive présente ses sincères condoléances au mouvement sportif et à la famille de Abdoulaye président du 12e Gaindé décédé ce dimanche, Cham Gaindé a servi les Lions avec fierté et patriotisme. Partout à travers le, monde. Le, ministre ouais, ouais. C'est ça. Partout à travers le monde. Il koy wax sànq ba di ko aussi ministre parce que bon si si ay est am bon. bokk mm-hmm. ballon pour Di Maria a essayé de passer face à lui deux joueurs marseillais ñu tëj bunt bi tànc ko bal bi Boubacar Camara qui perd le ballon La récupération parisienne avec Messi qui a changé de côté Messi qui a changé qui a changé de côté

xel yi rek liiroo laa la koy téye ba mu leer. liiroo la xel li daa jox Gunduzi. acca attends il peut envelopper. il peut envelopper. benn bal bi la frappe de Camara la frappe de Camara la talonnade aussi la frappe. la ilaha illallah. très molle. très molle très molle. frappe très molle. jeexagul le centre est la reprise de volée dévissée. C'était celle de Chengis Ndour eh, Cengiz. Ndour Cengiz. Oui, ils se sont gênés en fait les les les, deux attaquants marseillais. Ça joue bien. Ils se sont gênés. Oui, Marseille qui, qui, qui, qui, qui a en fait rehaussé son niveau de jeu dans cette Marseille qui a rehaussé son niveau de jeu. match bi Marseille da mag. na coup Verratti Verratti jël coup. passe. Hein, la ko ci bi la chauffement ah effectivement. on demande euh, poliment à Verratti de sortir. Ah, ah oui, parce que euh, postérieur euh, voilà. Et donc là, le temps se calme, donc il va ressortir euh, avant de revenir. Et au même moment aussi, on voit que l'entraîneur Potino euh, vient de parler pour voir exactement comment se passent les choses. Et pourtant, la partie a repris. venir. Ah oui. Ah, Là, il ne peut plus continuer. Hein. Là, il va sortir, Ganagay va venir. Là, il ne peut plus continuer. Là, ah, va venir euh, pour euh, la période de rencontre parce que Verratti ne peut plus aller. Mais moi, je Bon, de toute façon, euh, peut, ne même pas entrer, hein, parce que ouais. déjà on est dans le temps additionnel. Il en resterait peut-être une minute, hein, au moins. Voilà, Ghana va revenir euh, euh, certainement. Attention, attention c'est perdu de balle, la belle couverture derrière. De, de Luan Pérez qui remet le ballon à sortir Paolo Lopez. On passe par euh, Boubou Char, qui va remonter le ballon jusqu'à qui Jusqu'à Dimitri Payet. Attention, offensive marseillaise, Milic, 6 mètres et Kimpembe va concéder le corner. Finalement, c'est une foule qui a été contrée. Euh, plus tôt. Milik est sans doute à rejoindre les vestiaires avec ce score de parité. Hmm. Zéro but partout, ah, tout de même. Ah. Tout de même, tout de même, j'allais dire, on est en train d'assister à une très belle rencontre. Et Idriss qui va faire son entrée à la place de Verratti, euh, sorti sous blessure. Ganagé qui va donc euh, venir pour 25 prochaines minutes cette rencontre. La première période sera bientôt terminée, on est à 0-0. Et ballon pour Mbappé faire il va chercher la solution. Danilo Pereira, Ganagay là, avec euh, Danilo Pereira toujours. C'est l'arbitre qui siffle, c'est la mi-temps. Verratti a pris un également est sur le pot. Et là, c'est la pause 0-0 entre Marseillais et joueurs du Paris Saint-Germain. Il y a eu un but de chaque côté marqué. Il est pour, pour raison de VAR, avec des positions illicites. Messi a tenté avec de Mbappé, cette frappe roulée qui est passée à un petit petit poil de de, de, le tout est qu'on est à 0-0 et que les arbitres et les joueurs gagnent les vestiaires. Ça a été hostile de part et d'autre, surtout pour les supporters marseillais qui ne laissent rien du tout et qui n'offrent rien du tout aux Parisiens visiteurs. Mais cela sont concentrés sur l'essentiel qui reste le match et rien d'autre. rapidement, considération. on a

waa kay. barkalla mu ngi. dañu kanam rek incha allah. Matar nañu teg musique tuuti ñu ñëwaat. voilà seen soxla Baol Média FM rajo bi nga xamante ni lu dul bànneex auditeur am ak auditrice am ñoru ko Baol Média FM nekk fii ci Mbàkke tablu caabi xale wa jëm Touba mooy yëgal mbokki commerçant yi bëgg a fësal seenum njaay ak képp koo xamante ni danga am màggal cant mëna doon nga bëgg ko yëgle bëgg ñëpp dégg ko Bawol mi Média FM di leen yëgal ni ubbil na leen ay buntam képp koo xamanteni rek mbir mi yitteel na la mën nga ñëw woo ci 33 979 38 46 wala 77 177 43 60 wala 76 496 17 77 ak Baol Média kumpa jeex na fa. rajo bi ngeen doon xaar. pexem yàlla moo pexem nit ndaxam